vice-président à la Chambre de commerce, ak le secteur général de la Chambre et l'ensemble du personnel. bon je vais commencer rek moi, fimou mu président Moudou pour son engagement pour la chambre de commerce de Thiès Le plus a fi réaliser rek ñun magam man ak Moustapha mi ak ni mais mon lañ fi tek mu nek fi du goût, du budget, il est présent Ce c'est pas la première fois li mu donc vraiment président nous remercier bu di la aussi li tax ñu jël nga aussi vraiment remplir bon di remercier aussi monsieur collaboration bu un partenariat très solide boo xam ne nii CGA de Dakar am na ko ak chambre de commerce si lu bëree bëri donc su amee séminaire bu mel nii ñu financé ko ko mu jël ci chambre de commerce yi nga xam ne nii am na si ñoom yaakaar jël ci chambre de commerce de Thiès ak yeneen jiital ci en tête chambre de commerce de Thiès indi formation bu mel nii ak équipement wu CGA bi je pense que vraiment c'est quelqu'un à féliciter aussi parce que comme nous l'avons ko sous léegi suñu collaboration ak ça date un peu di content trop ci aussi nous sommes ñëwee wuy si parce que c'est ce xaar ci aussi parce que chambre de commerce aussi nous mooy rôle former les entrepreneurs surtout nag fi ñu toll nii réew mi dans la région de Thiès sommes xool euh, position bi nga xamni ni Thiès mi ngi mag jëm fof cette position là su fa Thiès égué vraiment ay opérateur économique am ay entrepreneur am ay ay ay ay structure mi nga xamni ni ñoo ngi ci économie war nañu mag pour ñom tamit mëna atteindre niveau bobu ku nekk xam l'aéroport est ici tout près à Thiès ainsi de suite avec d'autres structures loolu dafa am lu bari bari loo xam ne nii daf koy indiwaale si biir réew bi si biir dëkk bi donc nag c'est normal que yéen tamit ngeen mën a préparer wu pour que su loolu ñëwee mu bañ leen bett fekk ngeen am des outils yoo xam ne nii dina leen permettre ngeen mën a capter euh, njariñ boobu nga xam ne nii dina ñëw si ci biir dëkk bi mën ko tasaare pour que ku nekk mën ci jariñu parce que loolu mooy rôle chambre de commerce ñun lool mooy sunu liggéey lool moo ñu bàyyi fii pour permettre leen yéen kenn ku nekk secteur bi nga nekk ak entreprise bi nga nekk nga mën ko développer ba nga xam ne nii di nga mën a yokk sa chiffre d'affaires yokk sa activité mun a recruter ci jeunes yi mun a yokk koom-koomu dëkk bi ak koom-koomu réew mi donc vraiment su ma ñëwee gis leen ngeen mobiliser wu ni vraiment je suis très content de ça je vous félicite beaucoup beneen bi ci des aussi mu CGA bi sen outil la bu am importance depuis ñu créer ko fi ba léegi euh, doxin bi dess na ñu bëgg leen xamal ni outil bu am njariñ la bu am importance si yeen ñu bëgg su leen joggé ci séminaire bi ngeen approprier ko doxal ko ñëw mu defaral leen seen ay bilan ñaa ngi il est à Dakar mom moko yoré moko superviser ñi di leen def seen i seen i seen i seen i seen i seen i seen i bilan ngeen di ko mën a def fii conseil bu leen bëgg ngeen laajte ko ñu orienté leen wax leen parce que comme li ma leen wax léegi rek loolu yëpp c'est quelque chose boo xam ne nii demee da ngeen ko war a soxla su y aura des marchés yoo xam ne nii di ngeen ci postuler ñun leen nangam lii ak lii ak lii yeneen ak leneen ak leneen donc su loolu amee je pense que su len amé outil bu melni ñu andil len ko sur le plan fiscal ak réforme yi nga xamni ni jaar na fi et tout ça waaw ak code de travail bi nga xamni ne nii changement yu bees a yu bare bare je pense que sen séminaire bi jall na ci wax na ci yoy yep mu nek ay lo xamni ni war ngeen koy xam tous les jours donc su lolu amé ngeen am outil bu melni je pense que il est important à ce que ngeen ñew approprier ko jël ko doxal ko parce que chambre de commerce que li mu mën mooy lu melni nii xool ni amal na len jariñ amal na jariñ opérateur économique yi ñu dem jëli ko ñëw jox leen mais li koy doxal nak yeen ñi lay doon donc vraiment pour baña a guddal c'est que euh, temps bi bariwul euh, lolu dal bokon na ci point bi nga xamni ni point bu am importance la pour mën pour que ñeen ñëw approprier seen centre de gestion agréé bi mi ngi ci biir chambre de commerce bi lépp ngi fi y a tout maintenant mun na leen encadrer mun na leen orienter mun na leen jàppale ci seen ay seen ay ay ay comptabilité et problème bu leen am wala xalaat bu leen am wala lu leen am su leen ko laajee moom mi il est assez outillé pour mën leen tracer yoon bi nga xam ne nii foofu ngeen di jaar je vous remercie beaucoup et li ngeen fi jàng ngeen jële ko fi yàlla na barkeel merci monsieur Alors donc notre Abdoul, Aziz Dien, je suis le directeur du centre de gestion agréé de Dakar. Donc euh, en partenariat avec la Chambre de commerce de Thiès, nous avons eu à organiser un séminaire de formation destiné aux opérateurs économiques de la région de Thiès c'est un séminaire qui a été financé par euh, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui nous a permis au départ de mettre en place une antenne du centre de gestion agréé au niveau même de, la chambre de commerce de Thiès. Donc c'était le premier acte. Après avoir installé donc l'antenne du CGA, nous avons jugé nécessaire de regrouper les opérateurs économiques de la région pour renforcer, pour contribuer au renforcement de leurs capacités, notamment en matière de gestion. C'est comme ça que nous avons euh, choisi euh, trois modules essentiels et transversaux qui concernent la vie de l'entreprise. Nous avions démarré la semaine dernière avec le module sur la lecture des états financiers, puisque comme vous le savez, la comptabilité est un outil de gestion. Donc beaucoup de chefs d'entreprise utilisent la comptabilité, mais ne savent pas l'utiliser aux meilleures fins. donc nous avons voulu revenir un peu sur ça pour leur montrer comment utiliser cet outil-là qui peut être fondamentale pour la bonne marche de leur entreprise. Nous avons constaté également que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de contentieux en matière sociale. Alors, une des raisons, c'est parce que les partis ne connaissent pas un peu leurs obligations et leurs et devoirs et leurs droits. Et c'est comme ça que nous avons invité donc un professionnel du droit du travail qui est venu dispenser le module sur le contrat du travail. Donc on a eu l'occasion de visiter, revisiter un peu les textes du droit du travail et d'imprégner ces chefs d'entreprise-là sur les fondamentaux qui concernent le droit du travail. Et aujourd'hui, nous avons clôturé avec le module sur l'environnement fiscal de la paiement. Là également, l'idée est toujours la même, c'est de donner le maximum d'informations aux chefs d'entreprise pour qu'elles comprennent ou qu'ils comprennent leurs obligations et leurs droits également. Tout cela, c'est pour éviter des redressements qui sont préjudiciables à l'entreprise, qui peuvent donc mener à la cessation et la fermeture de l'activité de l'entreprise, ce qui n'est pas souhaitable. Donc ce serait dommage que les gens aient des difficultés tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information. Donc c'est ça qu'on a voulu corriger, le centre de champs donc en partenariat avec la Chambre de commerce, de mettre à la disposition des opérateurs économiques de la région des outils qui leur permettront justement de mieux, de mieux gérer leur, leur entreprise. L'autre aspect qui est fondamental, c'est que nous avons mis en place un outil notamment le centre de gestion agréé, qui est un outil pour les opérateurs économiques de la région de Thiès. Donc nous les invitons vraiment à venir rejoindre la Chambre de commerce, à s'inscrire, à adhérer au centre de gestion agréé, afin de bénéficier des doses d'accompagnement, du conseil, mais derrière des avantages fiscaux également, et à moindre coût. Donc c'est ça ce message fort que nous voulons faire passer et féliciter la Chambre de commerce, vraiment qui ne cesse de déployer ses moyens toute, toute son énergie, son engagement au profit des opérateurs économiques de la région. Maintenant, la balle est dans le camp de ces opérateurs économiques-là. C'est à eux de venir, de s'approcher de la Chambre de commerce, de s'approprier leur outil. Nous, nous ne sommes que des accompagnants. Nous sommes que là pour faciliter, pour améliorer l'environnement de la petite et moyenne entreprise, spécifiquement de la région de Thiès. quelles sont vos relations avec l'ADPME quand même qui doit se charger de la promotion des PME Nous travaillons ensemble parce que nous sommes dans un environnement où vous avez des structures qui, accompagnent la petite et moyenne entreprise, mais chacun avec son domaine d'intervention. Nous, nous sommes un outil technique. Notre rôle, c'est un accompagnement, une assistance technique en gestion, tenue de la comptabilité, déclaration charges fiscales et sociales, formation, conseil en gestion. Donc l'ADPME, sur certains volets, elle n'est pas outillée pour le faire. Et donc, elle travaille avec nous justement dans le domaine de l'assistance technique en gestion pour encadrer la petite et moyenne entreprise. Donc nous avons mis en place une synergie avec toutes ces structures d'encadrement pour pouvoir justement encadrer la petite et moyenne entreprise. Vous avez l'ADPME, vous avez la nouvelle direction pour l'entrepreneuriat rapide qui est mise en place, qui va financer des projets. Mais ces projets-là ont besoin d'être suivis sur le plan de la gestion pour que les fonds qu'on a mis à leur disposition ne soient pas des fonds perdus. Donc il faut une bonne gestion des fonds publics qu'on met à la place de ces opérateurs économiques-là. Et le CGA est là pour les accompagner à mieux gérer ces ressources publiques-là. Euh, parfois, l'environnement économique autour de ces opérateurs, autour de, leur activité, euh, est un peu difficile. Qu'en pensez-vous Ça, c'est dans tous les pays. Mais l'État y travaille pour améliorer cet environnement. Le CGA fait partie de cet outil-là qui contribue à améliorer l'environnement. La chambre de commerce fait partie de cet outil-là qui améliore l'environnement de ces, entreprises-là. On ne peut pas avoir un environnement parfait, mais l'État est en train de travailler avec les structures dédiées telles que la chambre de commerce, le CGA et d'autres structures pour corriger certaines imperfections de cet environnement-là. J'ai oublié de citer la Direction générale des impôts également, qui fait un travail extraordinaire en simplifiant le Code général des impôts. Vous avez vu les dernières réformes qu'il y a eu sur certains aspects. Mais tout ça, ça va dans la simplification et l'amélioration de l'environnement des affaires. Parce que quand l'entreprise va, tout le monde va. Les impôts s'y retrouvent, on crée des emplois, on crée de la richesse, on crée de la croissance. Donc le nœud aujourd'hui, c'est l'entreprise. Il faut qu'on fasse un focus sur les entreprises en leur facilitant également le travail, en améliorant un environnement pour qu'elles puissent vivre simplement et sans difficulté dans euh, cet environnement-là. Combien de chefs d'entreprise ont pu bénéficier de... Nous avons formé 58 chefs d'entreprise, vraiment très réguliers, engagés, très euh, qui ont vraiment participé euh, à l'ensemble des modules que nous avons déployés depuis la semaine dernière, donc au total 5 jours. Nous avons totalisé 58 chefs d'entreprise merci waaw tey ji dañu dañu réunir ci chambre de commerce pour def un séminaire euh, séminaire bi euh, c'est grâce à un partenaire important l'organisation internationale de la francophonie Qui a financé centre de à agréé de Dakar Nous avons voilà dama subventionner pour ngeen appeler opérateur économique Sénégal mais on va commencer par trois régions par Thiès par Saint-Louis et Gigenshaw donc on va installer des CGA puisqu'on a CGA à Dakar mais duñu un opérateur économique de Saint-Louis di Dakar pour adhérer pour qu'on ñu Donc, nous donc dañuy décentraliser service Nous commencer commencé la région de Thiès parce que la région bu am solo la le dynamisme économique ci opérateur économique yi fi avons ba ñu CGA on a jugé nécessaire de former les chefs d'entreprise parce que c'est important Donc, ah, nous donc dañu chefs d'entreprise euh, ci seen liggéey tous les jours am na yenn obligation yu ñu am yoo xam ne yoon daf leen tënk dañ ko war a respecter mais loolu pour ñu mën ko respecter foog ñu xam ko par exemple naka la ñuy utiliser bilan par exemple soo amee say employé naka ngay jëflante ak ñoom euh, yaa ngi yor entreprise yaa ngi doxal am na ay impôts yu tegu sa kaw naka nga war a def pour fay impôts yi dans la légalité donc outil yooyu tey moom la ñu dajale woon pour mettre à la disposition chef d'entreprise de yooyu nekk région de Thiès mais nous ñu fait ko en partenariat avec la chambre de commerce bu ñuy gërëm au passage parce que nous avons organisé lii yëpp nous avons abrité centre de gestion agréé bi ñoom ñoo abrité formation bi avons mobilisé mobiliser chef de la région pour ne leen ñëw leen gratuitement ñu former leen amul kenn ku ci fay gratuitement lañ leen pour que nous ñu ñu mën a renforcer seen capacité mën développer seen entreprise pour le bénéfice de la région pour le bénéfice également de tout de tous les pays. apparemment besoin formation boobu sentir ngeen ko ci formation nag ñàkk ñàkk xam la wala lu ko expliqué. waaw lu ci ëpp ñàkk xam la xam nga parfois sax même ci wàllu impôt am na ñoo xam ne nekkul nag bëgguñu fay impôt mais dañu xamul ne war nañ ko fay xamuñu tamit naka lañ koy fayee donc loolu aussi suñu rôle la que ça soit l'État wala yenn démembrement l'État ou les structures comme ay chambre de commerce le CGA c'est un rôle nous ñu xamal chef d'entreprise ah. euh, environnement économique nous devons mu doxee employés, jëflanteeg say employé lan la yoon wax ban respect nga war respect jox employé employé tamit respect pour ñu sa entreprise ndax sur le plan comptabilité sur le plan droit des affaires sur le plan droit social ainsi de suite donc loolu daal moo doon solo tey bi mais kontaan nañ trop ci séminaire bi parce que enregistré nañu quand même juróom fukk ak juróom euh, opérateur économique ñu bàyyi seen liggéey pendant cinq jours ñu fi ak discuter avec ak euh, experts yi ñu désigné woon pour nous former <laughs> Voilà, je suis euh, docteur Tiané Niansi, pharmacienne à Kies. Voilà, donc j'ai mon officine au quartier Cité Lamy de Kies. Qu'est-ce que vous avez appris de, de plus pendant ce séjour nous avons beaucoup appris et je vraiment profite de l'occasion pour remercier le CGA et la Chambre de commerce qui nous ont donné l'opportunité d'assister à, cette formation qui a très, très utile sur tous les plans et qui a été aussi au niveau euh, des, animateurs et de l'assistance de haut niveau. En tant que chef d'entreprise aujourd'hui, je peux dire qu'on est à la sortie de cette euh, formation, on est édifié sur beaucoup de choses qu'on ignorait et qui mettaient en péril même nos entreprises. aujourd'hui, euh, on a vu les modules, des modules très importants sur la lecture du bilan, sur la fiscalité, sur la gestion même du personnel, qui est, qui est très très important, qui sont très importants. Donc là, vraiment, on ne peut que les remercier et, donc, et leur promettre que nous allons aujourd'hui euh, utiliser ces informations pour redresser nos entreprises et pour les mettre sur la bonne voie. Merci beaucoup. donc euh, dañuy profiter rek micro pour santé euh, CGA santé aussi chambre de commerce bon ci li ñu ñu jàppale ba ñu mun a xam lu bëri ci sunuy devoir ak sunuy droit parce que comme dañuy wax nul n'est censé ignorer la loi mais nag am na ci yu bëri yoo xam ne tamit nit ki mën na ko def ci ñàkk a xam tey nag ñoom bi ñu ñëwee fii xamal nañ yu bëri surtout modi li ñu fi déroulé muy nan ngay xamé sa bilan ndax bilan aussi signé ko responsabilité la en tant que chef d'entreprise war nga même boko yorolul sa bop kiko yor bu la joxé di ne la li la def nga xam limu def lan la pour nga li ngay signé nga xam lan la benen bi moy fiscalité lan mo ñu war sun digënté euh sun digënté ak euh, ak ak ak état xam nga personnel aussi ñu wax ñu naka lañuy ak yiñ am ak ñom ak ñomit ak yiñ am pour ñun bien que ñol ñu ngi ñu ngi liggéey ak ñom ba nga xam ni lii dina tax ñun bu ñu demee lépp li nga xam ne nii dafa nekkuloon lu ñu lu tegewul woon yoon ci sunu entreprise dinañ mun ko jubbanti jubbanti boo xam ne dañuy xam ne fi ñuy teg suñu tànk foofu tey daal mun nañ wax ne gën nañu gindi nañu pour ñu gën a xam fu ñuy teg tànk suñu tànk pour que suñuy société mën a nekk société yoo xam ne dafay dund ci cadre boo xam ne dafay tege ci yoon jëriñ ñu jëriñ état bi jëriñ aussi nit ñu ñu ko seqal di ci tedd salaamaaleykum docteur Salam ba yokk si rajo rek bu ñu jëlee euh, secteur pharmacie. Hmm. ndax faculté législation bi du ngeen ko jàng foofu. autrement dit pour génn rek waroo mën a gérer officine comme ça. voilà léegi tey bi ñuy bi ñuy clôturer rek bi ma joxee kaddu maa ngi koy wax parce que bon ñun dinañ jàng législation pharmaceutique par exemple aujourd'hui boo ñu ngi koy tuddee ñun code de déontologie par exemple booy dox booy liggéey sa pharmacie en tant que professionnel ba nga waatee ba pare lan moo la war ak lu la warul mais duñ ñu jàngal naka ngay gérer entreprise donc maa ngi doon wax ne war nañ sax ñu contenu bi ñuy délivrer ci fac ñu dugal ci lii parce que tey jàng nañ fi yoo xam ne en terme de pay tey pharmacien yu bëri bi ñu ñëwee tey bi ñuy démarrer ñu ubbi woon entreprise individuelle mais xam nañ ne tey euh, bu ñu amee entreprise bu ñu defee société boo xam ne unipersonnelle la moo gën avantage mais loolu dafay fekk choix bi jàll na ba pare cest à que bala ngay taxaw taxawaayu taxawal société war nga am information yoo xam ne dina tax nga def choix bu baax bi ba nga xam ne nii booy dox dangay dox ci loo xam ne nii dafay nekk sa njëriñ ak lu baax mais soo ko xamul mun nga dugg say erreur yoo xam ne peut-être mun na sax rey structure bi alors que fekk na ñàkk xam moo la ci dugal kon nag vraiment war nañu xoolaat. liñ jox OLAF di mettre à jour ba nga xam ne comme ay chef d'entreprise lu ci ëpp lañuy doon bu ñu génnee en tant que pharmacien ñu jox ñu yenn yu yu ñu ñu jox fi ci formation bi nga xamné dina tax bu ñuy bu ñuy bu ñuy créer suñu société aussi ñu xam ñu am information yu war pour mun ko créer